CAP dafa dajaloo woon pour def évaluation de ses activités de la semaine dernière peut leen ne jeudi passé defoon une délégation àndoon ak euh, directeur ou Reporters sans frontières bi fi ñëwoon dem seeti Pape Alé que prison bam nek nekk ca Sébikotane bi ñu fa demee jeudi ba ko jiitu njëkkoon nañ fa dem mais demuñu fa woon euh, ak Mbolo ku nekk dafa demoon seeti ko à titre individuel

teggi na ci tànkam waaye alxames bii passé bañ fa demee seeti ko dane moom du ci dellu gannaaw parce que ne biñ ko ñu donc principal point ordre du jour bi évaluation def ñu moralement il est stable il est inébranlable tëj biñ ko tëj bu fekkente ne dañ ci jublu woon pour nasaxal xelam wala nasaxal xolam alhamdulilah macha allah ni ñu ko fekkee foofu noonu tey la gën a dëggu ci liggéeyam tey la gën a pare pour def liggéeyam en tant que taskatu xibaar bi nga xamante ne moom dafa opté ne dafay xool li ñuy nëbb mu koy siiwal maanaam journaliste d'investigation mais fu mu nekk nii suñu problème ñun c'est moins Pape Alé parce que xam nañ ne mentalement psychologiquement macha allah yàlla jox na ko ci doole waaye njabootam ñi ngi commencé yëg euh, vraiment tëj biñ ko tëj soxnaam santé ma ngi commencé wàññeeku xam nañ école bi mu ubbee yàggul dafa baye njabot yaayam tamit kazaalika jigen ju mak la donc xeyna sax bu len japp ne en tant que jigen motax may wax mais ñun ñep xam nañ Sénégal nu muy doxee benn salaire bi moy yore kër gi yépp donc ki nga xamantene le pilier de la famille bu nu ko jëlé tëj ko donc danaka famille bobu yépp lañ nasaxal au-delà de Pape alle maintenant notre combat vraiment c'est pour wa këram et que CAP biñu réuniré tay liñu teunk moy né CAP néna président Macky Sall lay interpeller à titre personnel et que mi ngi jàpp ne lépp lu mëna dal Pape xalé ci biir kaso bi il sera le principal responsable Manam, papale Alé psychologiquement tiitaluñ ko mais ñëpp xam nañ ne sa santé amna lo xamantene mi ngi koy yëg ci yaramam lo xamantene manam dal andu àndut wergu yaram à 100 et que biñu koy japp sax fekk na mu waron dem ci ay rendez-vous yum doon wajal par rapport ak son médecin soignant loolu motax nak ñu xalaat ne fum nek ni bobu ba légui ñi ngi wax naan nañ ko génne ci njekk ak loolu ba tamit ñuy def ñuy dem ak yar ak dem ci en particulier notre tutelle mais gis nañ ne ba donc cap deuxième plan d'action bi mi koy à partir de lundi prochain ñu xamal leen donc képp kuy chancellerie ak ambassade bu Sénégal muy Union européenne euh, euh, Union africaine en plus des autres chancelleries lundi déjà am nañ chancellerie boo xamante ne dinañ dem dajee ak moom incha dinañ lundi matin et que toute la semaine ce sera comme ça CAP tamit que na tey bi mu ci que fu mu nekk nii may dara et que vraiment xeex bi dinañ ci dem ba nga xamantene luñ ci am jël manam dal dinañ ci dem ba ngeer et que bo ba légui comme yar ak teggin biñ doon démé ah gis nañ ne amagul solution wala de gisaguñ ci vraiment loo xamante ne may nañu yaakaar te que fu mu nekk nii bakken moo nekk en jeu bakken bu nekkee en jeu nag sago day daal di xaw a wàññeeku tuuti donc loolu lañ waxoon tey ne dinañ ko partager ak yéen bi ñu paree ci euh, réunion bi nga xamante ne dañ ko doon def pour évaluer boobu ba léegi euh, beneen bi tamit mooy ne waxoon nañ leen ne à partir du 1er décembre Sénégal dañ koy dugal ci liste rouge bu CPJ bu fekkente ne mi ngi fekk Pape Alé ci biir kaso bi donc depuis le 1er décembre Sénégal mi ngi nekk ci liste rouge te gis nañ ne des pays de l'Afrique de l'Ouest yépp Afrique de l'Ouest wërkël këmb Sénégal rek moo fi am journaliste ci biir kaso bi boo xamante ne liggéeyam moo ñu dugal ko fa ñu di fàttaliwaat tamit ne xeex bii nii du xeexu euh, par aller mm. fonction de journaliste le titre de journaliste suñu liguey nous sommes en danger Nous mm. ñu ciy dem ni ba jeex Nous sommes leneen raxna ci moy ne bakken et au delà de bakken bobu nonu yeneen bakken ñi ngi commencé tamit di donc lolu nak wax deug yalla kumu téyul sa xel wala kumu yëngalul ah ñun fu nek ni wax semaine prochaine dal, il est à son deuxième jour de grève la faim. Il a passé 27 jours de captivité en prison, et ce qui n'est pas acceptable. Pape aller, il a une santé fragile, nous le savons tous, et c'est pour ça que nous nous sommes battus vraiment pour qu'il n'aille pas euh, vers cette grève la faim-là. On a tout fait pour et Je pense qu'il y a même 10 jours, voire 2 semaines, on lui avait dit non, il n'est pas question que tu fasses une grève la faim. Et on avait pu quand même le, euh, le convaincre. Maintenant, c'est irrévocable. Il a commencé et il va aller jusqu'au bout. Nous, nous, connaissons bien Pape Alenia et il ne va pas s'en arrêter là. Et s'il continue, ça risque d'être grave. Ça risque d'être grave. Et ça, quand même, on tient pour responsable le président de la République, Macky Sall, de tout ce qui adviendra de la santé de Pape Alenia, de la vie de Pape Alenia. Et plus grave même maintenant, en fait, euh, son épouse est, est, très touchée par, disons, l'incarcération et surtout cette grève de la faim, parce que elle est, euh, Pape Alenia lui interdit de venir le voir à, à, à Sepikota. Et il ne veut plus du tout qu'on lui amène à manger ni à boire. Donc là, ça devient très compliqué. L'autre chose également aussi, sa maman, qui est une dame très âgé et aussi qui euh, a des rendez-vous médicaux à honorer, il presque ne peut plus. elle est tellement angoissée que Pape Alenia est obligé de l'appeler. Chaque jour, le matin au réveil et le soir avant également d'aller au lit. Et donc vous savez donc que ça, ça devient préoccupant. Donc nous en fait, depuis le début de cette affaire-là, nous avons quand même euh, respecté tout ce que nos aînés nous ont dit. Nous avions commencé en tout cas notre plan d'action en trombe. On nous avait demandé de laisser un temps de médiation. On l'a fait et malheureusement, il n'y a pas eu de fruits, il n'y a pas eu en tout cas d'effet escompté. Nous sommes face à un mur qui est là et qui veut rien entendre du tout et qui cherche à faire plier Pape Ali et qui cherche à euh, euh, vraiment à broyer Pape Ali. Et donc, ce que nous, nous n'accepterons pas. Et, il, et est en prison. Nous tous, aujourd'hui, nous sommes prêts à le retrouver en prison et nous ferons ce qu'il faut pour le libérer. Et donc, dites-vous qu'à partir de maintenant, nous n'excluons aucune action. On était dans la diplomatie, on était dans, disons, euh, ce sens de responsabilité-là. Mais là, on va faire la guerre comme à la guerre. Et tout ce qu'en tout cas, euh, euh, cette bataille pour la libération de Pape Allé va demander, nous le ferons, Inch'Allah. Et je vous dis qu'en tout cas, la semaine prochaine, à partir de lundi, nous allons démarrer les rencontres avec les chancelleries, c'est-à-dire les représentations diplomatiques mais également aussi, on va commencer à rencontrer les autorités religieuses et coutumières, mais surtout, il y aura des actions. Il y aura vraiment des actions. Nous ne vous dirons pas la nature de ces actions-là, mais au moment opportun, vous serez convoqués et vous verrez que nous n'allons plus rester les bras croisés et nous ferons le nécessaire pour libérer Papa Alenia. Parce que, en réalité, ces gens d'en face ne connaissent que le langage de force et nous l'utiliserons vaille que vaille, et quoi que ça puisse nous coûter, s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous mettre tous en prison ou nous assassiner ou nous faire ce qu'ils veulent, mais en tout cas, Pape aller sera libéré. On est prêt à payer le prix fort pour ça. Que ce soit très clair. Voilà. Maintenant aussi, dans cette bataille-là, on n'est pas seul. Vous avez vu la présence de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Et CPJ, depuis le 1er à reléguer le Sénégal dans la liste des pays où les journalistes sont en danger ou des pays où des journalistes sont malmenés. Et il y a également aussi Media Foundation qui, qui a mis dans le coup IFEX. Euh, la CDAO également aussi sera mis, mise dans le coup et beaucoup d'autres institutions. Sur le plan international, là vraiment, le combat va être mené par les organisations de défense des, euh, des, droits des journalistes. Et donc, elles ne vont rechigner devant rien. Nous, ici, localement, au niveau du Sénégal, nous, nous ferons le nécessaire. Et de toute façon, comme on, vous a dit, on est prêt à tout. Là, il n'y a plus de langue de bois, c'est la loi du talion, carrément.